le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio calam. Bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Série d'assassinats de chefs traditionnels au Niger par des hommes armés non identifiés. Comment lutter contre ces crimes Comment s'explique cette recrudescence des assassinats de chefs de village au Niger Quelles peuvent être les raisons apparentes ou cachées de ces crimes quelles sont les mesures préventives ou curatives à prises ou à prendre face à ce genre de crimes Pour répondre à ces questionnements, nous avons invité Dr euh, Diko Abdraman, enseignant-chercheur à l'Université de Anders. Il est spécialiste des questions sécuritaires et il est au téléphone avec nous depuis Zander. Et nous avons également avec nous Abbas Abdulmoumouni, acteur de la société civile, spécialiste des questions d'extrémisme violent et de radicalisation. Et nous avons également invité le ministère de l'Intérieur pour cette émission. Notre invitation est restée sans suite. Nos tentatives également pour avoir un chef traditionnel dans ce débat sont vaines et pour la présentation, c'est moi Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous. Euh, le thème du forum d'aujourd'hui, je l'ai annoncé tantôt, porte sur euh, la série d'assassinats de chefs traditionnels au Niger par des hommes armés non identifiés. Comment lutter contre ces crimes la loi numéro 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle à la République du Niger définit la chefferie traditionnelle en son article 2 qui stipule qu'au sens de la présente loi, on entend par la chefferie traditionnelle l'institution qui regroupe l'ensemble des chefs traditionnels dépositaires de l'autorité coutumière. Le chef traditionnel est une personne élue ou désignée pour diriger une communauté coutumière et traditionnelle et l'article 3 de la même loi d'ajouter que les communautés coutumières et traditionnelles regroupent les populations d'une fraction, d'un quartier, d'une tribu, d'un village, d'un secteur, d'une chefferie particulière, d'un groupement et d'un canton, d'une province ou d'un sultanat. Ce soir, nous parlons de ces chefs traditionnels, dépositaires de l'autorité coutumière du Niger qui font l'objet ces dernières années, mais particulièrement cette année 2019, d'assassinats par des hommes armés inconnus. Les régions de Difa et de Tilaberi sont les plus touchées par le phénomène. Plus d'une vingtaine tuées individuellement au cours de cette année 2019. Les plus, récents assassinats datent de fin novembre dernier et concernaient les chefs des villages de Zarumdare et Tchambongu dans la commune de Mangaise, région de Tilaberi pour ne citer que cela. Alors tout de suite, nous commençons par vous, docteur Diko Abdraman. Euh, enseignant-chercheur à l'Université des Anders et vous êtes aussi spécialiste de ces questions sécuritaires. Comment expliquer cette euh, recrudescence des assassinats de chefs de village dans ces régions du Niger Donc, euh, comme vous l'avez très bien expliqué, on a remarqué cette, ce dernier temps une série d'assassinats ciblés qui affectent particulièrement la zone Donc, moi, je pense très bien que nous sommes dans une logique tout à fait normale nous sommes dans ce que moi j'appelle la normalité euh, sécuritaire, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un phénomène qui est issu de la situation sécuritaire plus ou moins délétère causée par l'occupation du Nord Mali par des acteurs djihadistes. Donc les, les, terroristes, en réalité, sont inscrits dans une logique de conquête territoriale. Mmh. Donc ils sont inscrits dans une logique de conquête territoriale, c'est-à-dire qu'ils sont réellement résolument engagés à aller vers le contrôle d'un espace. Et cet espace-là, comme je l'avais très bien dit la dernière fois, est euh, généralement soumis au principe de, de la République, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de l'État, le chef traditionnel qui est là, ah. il incarne l'autorité, n'est-ce pas, de l'État, il incarne l'autorité, euh, j'allais dire, euh, légale et pour réellement euh, euh, occuper ce espace, il faut, il faut aller vers euh, ces assassinats-là, tuer le chef. Et en tuant le chef, en assassinant le chef, les djihadistes d'abord obtiennent deux victoires. La première victoire, c'est que ils montrent à la population locale qu'ils ont la capacité d'atteindre euh, même les autorités qu'on pense être euh, bien, euh, légitimes, mm. mais aussi ils ont aussi la capacité d'atteindre les populations locales. Mm. Donc, lorsque la population locale est effrayée par l'assassinat, elle n'a pas d'autre choix que de quitter la région et de s'éloigner de plus en plus de, leur village. Donc, mm. du coup, les terroristes obtiennent, arrivent à conquérir un espace et qu'ils vont contrôler, ou bien, même s'ils n'arrivent pas à, faire chasser les populations, ils vont prélever les dînes, ils vont prélever des taxes sur, euh, comment on appelle ça, euh, sur les revenus des individus, et là, ils auront les ressources nécessaires pour pouvoir continuer leur euh, macabre, n'est-ce pas, opération, leur macabre activité, c'est-à-dire le, le djihadisme. Bien, docteur, nous revenons au studio pour donner la parole à Abbas Abdelmoumouni, je le disais tout à l'heure, acteur de la société civile, qui est spécialisé aussi sur les questions d'extrémisme violent et de radicalisation. Monsieur Abbas, euh, vu toutes ces, tous ces assassinats, ces crimes, en tout cas à, l'endroit des, chefs traditionnels, des chefs de village, comment est-ce qu'on est arrivé euh, à, cette étape Comment on est arrivé là C'est délicat. En fait, docteur a présenté les décors mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est depuis un, certain temps. On connaît les modes opératoires classiques euh, mm. des terroristes euh, au Sahel et euh, en zone lac depuis un certain temps. Mm. Récemment, on voit que maintenant, ce sont les, les leaders religieux, les leaders coutumiers qui sont systématiquement pris pour cible. Pourquoi En fait, c'est ça la question. Oui, pourquoi Quelles peuvent être aujourd'hui les raisons euh, apparentes euh, ou euh, cachées Justement parce que ces gens-là, on les connaît, ils sont depuis un certain temps engagés dans la déradicalisation des, des leurs qui sont partis avec les extrémistes violents. Vous voulez dire les chefs traditionnels Oui, les chefs traditionnels, les chefs euh, religieux, en fait, ils s'engagent en faveur de la prévention de la radicalisation et à déradicaliser <laughs> déjà des gens qui sont partis. Et ça a été en tout cas le cas pour euh, déjà le premier chef euh, du groupement Touareg des Inates qui a été assassiné. Ah. La logique était qu'il a, il s'est engagé à déradicaliser. Et de l'autre côté, on voit aussi l'émergence en fait des cas d'assassinat liés pas pas cette fois-ci à, euh, en fait, à l'engagement de ces leaders-là à déradicaliser, mais plutôt à leur effet euh, de collaborer, par exemple, au paiement de, de la zakat dont il existe souvent. Mm. Et euh, le cas récent est celui du, du, chef de, de village de dans le département de Abala, mm. qui a catégoriquement refusé, par exemple, qu'on perçoive la zakat sur son, son bétail. Il mm. considère que c'est illégal et donc, du coup, il ne va pas faire droit à leur, à leur préoccupation. Et d'une manière générale, les pays du G5 Sahel depuis un temps ont compris que la dimension militaire en fait à elle ne suffit plus pour combattre le terrorisme ou l'extrémisme violent. Donc il fallait s'engager dans une dynamique de résilience communautaire par la prévention et par la promotion des bonnes pratiques. Or on sait que ces bonnes pratiques sont ancrés ou euh, en fait sont incarnés par ces leaders coutumiers. Mm. donc il faut systématiquement s'en prendre, prendre à eux. Comme cela, ça peut euh, faire peur. Mais au-delà des, euh, des leaders coutumiers, et on voit bien que l'école est aussi prise pour cible. Parce que l'école euh, participe aussi de la, du renforcement de la résilience communautaire en élevant les capacités de défense des élèves à résister aux idées et aux idéologies mm. de ces gens-là qui légitiment le recours à la haine et à la violence. Donc je trouve, on, a, on fait face à une nouvelle adaptation en fait de ces extrémistes violents parce mm. qu'ils ont compris que déjà nos États ont compris qu'il ne faut plus en fait se cramponner à la seule dimension militaire, il faut explorer d'autres dimensions beaucoup plus durables lorsqu'on va s'attaquer au nœud du problème en élevant les capacités de défense. Et je, vois bien le rôle des chefs aujourd'hui, que ce soit à Tilabiri ou à, ou Difa, ce n'est plus à démontrer. Il y a ce qu'on appelle des comités de paix qui sont organisés dans pratiquement tous les villages, des zones d'entre de la haute autorité à la consolidation de la paix, ces, comités de paix sont pilotés par les chefs du village. Les chefs du village, régulièrement, ils rassemblent les, populations pour partager l'expérience. Ça permet, en fait... De, Parce qu'ils sont quelque part aussi des leaders d'opinion, on les écoute quand ces gens-là... Oui, en, en fait, c'est ça. Donc, du coup, il faut, il faut s'attaquer à eux et comme le docteur l'a dit, en s'attaquant à eux, ils auront un double objectif. Déjà, ils vont, y compris la population, va avoir peur et quitter leur localité. Ou coopérer. Ou coopérer. Et lorsqu'on coopère avec les extrémistes violents, là, c'est dangereux. Donc, comprenez que les chefs sont systématiquement pris pour cible du fait de leur engagement en faveur de la résilience communautaire. Mm, mm. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, hein, l'assassinat du chef de, groupement de, Inates, Inates justement, euh, dans la région de Tilaberi, département de, de On se souvient que le chef de groupement, justement, Arissa Lagamdag, Amdag, a été tué fin avril 2019. Trois mois plus tard, al Alamjidi, Al-Amjidi, qui assurait l'intérim de ce dernier, était aussi assassiné le 15 juillet. Inates, ou récemment, vous le savez, le 10 décembre passé, une attaque meurtrière a visé l'armée nigérienne pour la deuxième fois après euh, une autre attaque euh, qui datait de juillet 2019. Docteur Diko Abdraman, faut-il penser que quelque chose s'est préparé déjà à l'époque Absolument. Donc euh, moi, je suis de ceux-là qui pensent que nous devrons aujourd'hui travailler pour éviter à ce que qu'on sorte de somalisation du, du, nord, du nord de la puisque quand vous prenez un peu la région de vous la comparez un peu à ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans la région de Bifa, particulièrement dans la zone de Bosso, où vous avez 83 villages et aujourd'hui, il n'y a que 3 villages qui restent. Les 80 villages sont disparus. Hmm. Donc, des maires ont quitté, ils sont revenus dans les, dans les villes. Donc, véritablement, nous sommes dans une logique de sanctualisation d'un espace et il y a deux obstacles majeurs qui peuvent empêcher ou qui peuvent bloquer cette, euh, ce processus de sanctuarisation. Hmm. Il y a les chefs traditionnels et il y a aussi les forces de défense et de sécurité. L'attaque de Inates, euh, ça, il faut la déplorer. Nous, nous prions sur, euh, pour le repos de l'âme de nos, de, nos militaires, hmm, qui sont tombés. Oui. Donc, qui sont tombés. Hmm. Et nous prions aussi pour le repos de tous ces chefs traditionnels aujourd'hui qui sont dans cette, peur-là, plus ou moins collective. Donc, lorsque nous avons ces événements qui se succèdent, euh, on ne peut qu'envisager euh, une sorte d'élargissement de l'État islamique, c'est-à-dire du Nord Mali, vers, vers, la région de Tladeri, le, Véritablement, moi, ce que j'ai comme, euh, avis, c'est de procéder à une sorte de cartographie, n'est-ce pas, de, de ces menaces-là. Et la cartographie-là va nous permettre aujourd'hui de lire clairement, hmm. et de manière précise, que l'État islamique, ou du moins les djihadistes, sont en train de conquérir encore un espace qu'ils n'ont pas eu la chance de, de, de, conquérir par le passé. L'assassinat de ces chefs traditionnels est une confirmation, est une illustration parfaite. Euh, maintenant, euh, comme l'a très dit euh, Abbas, euh, effectivement, la population ne sera que collaborer. Et je vous le dis, hein, ça c'est clair, c'est sans, embâche. Il existe aujourd'hui, au nom de secteurs, une sorte de collaboration forcée de ces populations locales du, du, de, se retrouvant dans la région de Ils collaborent, ils fournissent des informations, ils refusent de dénoncer, ils ne participent pas, si vous voulez, à, la, à ce processus-là qui permet n'est-ce pas, aux forces de défense et de sécurité de convertir les renseignements en intelligence et d'être capable d'intervenir au, moment, dans le délai, pour pouvoir limiter ces, dégâts-là. Et c'est souvent, souvent malgré, malgré, euh, malgré eux Absolument, ils le font pas parce que simplement ils partagent les mêmes opinions, pas, pas parce que simplement ils partagent les mêmes convictions que les djihadistes. Ils le font parce que simplement ils ont besoin de rester chez eux et ils ont besoin aussi d'épargner leur vie. Donc la collaboration, elle est forcée. Et dans ce cas-là de figure, il faudrait miser sur le renseignement, c'est-à-dire le fait de convertir toutes les informations euh, en, intelligence qui permet aux, forces de défense et de sécurité et à l'État du Niger aussi d'anticiper ces genres de, situation. situations. Mais le mal, hmm. c'est qu'aujourd'hui, l'espace, aujourd'hui, euh, notre laverie hmm. est tellement peuplé, il est tellement sanctuarisé, il est tellement, euh, c'est-à-dire, infecté par ces, par djihadistes au point où aujourd'hui l'on ne peut pas véritablement avec des données fiables dire exactement voilà le nombre de villages qui sont menacés ou voilà les chefs, le nombre de chefs de villages qui sont menacés. Mais ce mm. qui est évident aujourd'hui, la vie de ces chefs-là, dans tout le nord, dans toute la région de Tlabéry, constitue et, est confrontée à, des risques potentiels qui sont là. Moi, je dis tout simplement qu'il y a un agenda. Et l'agenda, c'est quoi C'est un processus de sanctuarisation de cet espace-là. Mm. Et les obstacles majeurs, c'est les chefs traditionnels, pour réellement avancer, pour réellement embrigader, pour réellement phagocyter ces zones-là, il faudrait véritablement passer par l'élimination directe des chefs traditionnels et l'attaque des casernes militaires se trouvant dans la région. Abbas Abdelmoumouni, euh, vous avez entendu le raisonnement du docteur euh, euh, Abdraman Diko. Comment vous lisez la succession de ces événements D'abord, les, séries d'assassinats de chefs traditionnels au niveau de cette localité particulièrement et de façon générale dans les autres villages. Euh, merci bien, je m'incline devant la mémoire de ces 71 euh, voyant un soldat sur les champs d'honneur. Selon le, bilan euh, officiel, oui, dressé par le aux, aux, aux, blessés. En fait, euh, comment interpréter ces séries d'assassinats C'est prévisible dès lors qu'on sait que la région ou les régions du Sahel, tout comme celle du lac, sont déjà sous état d'urgence pour certains depuis 2015 et pour, pour d'autres depuis 2017. Et récemment, le, gouvernement a prorogé euh, les mesures d'état d'urgence dans les régions de Tilaberi et Tawa. Donc je trouve à partir mm. de ce niveau, on connaît déjà l'ampleur, on, essaie plus ou moins de maîtriser l'ampleur de la situation, de connaître l'ampleur de la situation et d'en prendre évidemment les mesures qui s'y... Mm. Comme l'a dit docteur, les chefs euh, traditionnels et, l'armée sont les principaux, en tout cas, obstacles à la sanctuarisation de notre espace par ces groupes extrémistes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui au Niger, il n'y a pas une portion du territoire il a, aucune en tout cas, contrôlée comme cela a été, par euh, exemple, à Air où ça a constitué deux fois le territoire de la Suisse. Donc, mm. Et pour le moment, ils sont en, conquête d'un territoire justement pour s'exprimer parce qu'il faut avoir, il faut contrôler euh, euh, un espace. On veut être un État. Pour le moment, ils sont au stade spirituel. Et au-delà de ces deux obstacles majeurs, j'ai relevé tout à l'heure que l'école, depuis un temps, est, devenue une cible. Il faut le considérer aussi, mm. parce que quelque part, ça, l'école joue le même rôle que les chefs traditionnels sont censés jouer, parce que leur rôle, en fait, comme je l'ai dit, c'est le rôle comment, de, comment, renforcer la résilience communautaire face à la radicalisation et l'extrémisme violent. Et une école aujourd'hui de pertinente ou de qualité, justement, peut participer à ce rôle-là. Et depuis 2017, l'UNESCO a pris une initiative qui permet en tout cas de mettre au premier rang le, rôle de l'école. Ils sont instantanément informés ils suivent nos stratégies que nous développons et donc ils développent des contre-stratégies. Tous ceux qui participent alors, à l'effort de renforcement de la résilience communautaire, en attaque systématiquement. C'est pourquoi l'école, à la fois les chefs euh, traditionnels, et notamment et les enseignants Et, les enseignants, malheureusement, et, que ce soit à Difa ou à Tilaberi, ils sont déjà aussi pris possible Donc, je trouve que les raisons pourquoi, parce que justement, c'est parce que c'est vilain engagement, mm. à la fois la détermination de nos forces de défense et de sécurité à nous protéger. Justement, c'est c'est vrai que c'est l'une des, des attaques la plus meurtrière qu'il faut euh, déplorer. Depuis mais de tout le temps, en tout cas, nos forces de défense et de sécurité ont vraiment tenu. En tout cas, ils ont refusé, ils n'ont pas cédé à une seule portion de notre territoire à ces bandits sans foi ni loi. Hmm. Et donc, euh, ils sont cibles parce qu'évidemment, ils sont ces principaux obstacles pour eux pour la conquête euh, d'un espace. Alors, aujourd'hui, M. Abbas, qu'est-ce qu'il faut craindre euh, le plus à court, moyen et long terme et, ce qu'il faut craindre très à court terme, c'est en fait la panique de notre population. Est-ce que la population n'est pas en train de paniquer C'est ça aussi la question. Lorsqu'on on se rend compte quelque part, il y a, a des gens qui sont forcés de, collaborer et ça, c'est inquiétant. Euh, on collabore contre mauvaise fortune bancaire. C'est vrai que la, collaboration ne sera pas comme on le souhaite parce que ça a été forcé. Mais à partir du moment où la population va commencer à paniquer, à céder son espace d'origine pour, euh, une autre, pour d'autres espaces, je mm. trouve que là, euh, c'est un problème. Et lorsque nos chefs vont continuer à être systématiquement pris pour cible, et que quelque part des mesures de protection ne sont pas prises, je trouve que là, il y, a problème. Et pour l'essentiel, ce sont ces genres de problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, la population ne collabore pas parce que eh, en matière d'alerte eh, de protection, dans le cadre du système d'alerte précoce ou de prévention, mm. il y n'y a aucune mesure de protection des données. Les gens informent. Souvent, eh, on informe euh, sans se rendre compte qu'on n'a pas donné l'information à la personne à qui on devrait donner mm. l'information mm. ou qu'on a donné l'information en public ou dans tous les cas la procédure par laquelle on a donné l'information n'a pas été la meilleure indiquée et donc du coup la personne qui a euh, donné l'information est est plus possible. C'est pourquoi parce qu'il y a eu des, des cas d'assassinat d'autres personnes. Il y a eu des cas de retour de vengeance comme ça et ce qui a fait que beaucoup moi j'ai causé avec euh, dans, dans un dans un autre cadre mm. il y a quelqu'un qui me disait, lui ne peut pas donner l'information, par exemple. Même s'il voit un suspect, il ne peut pas donner l'information parce qu'il n'a pas de garantie en retour. Est-ce qu'il sera protégé ou pas Donc, du coup, je trouve que eh, les, les, les, les, vraies préoccupations auxquelles on fait face, c'est essentiellement la protection à la fois de nos leaders qui sont engagés en faveur de la prévention de la radicalisation et l'ensemble des acteurs locaux non militaires mm. qui militent en faveur de du renforcement de la résilience communautaire par le partage d'informations, justement. Mm. Docteur, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut craindre le plus à moyen et long terme À moyen et long terme, moi, j'ai déjà parlé de la somalisation de l'espace de, ouais. Donc, il y a ce processus de sanctuarisation, c'est-à-dire que dans moi, logique, moi, je pense que si la situation évolue avec le même élan, on risquerait de se retrouver dans la même situation que le Mali, c'est-à-dire euh, une zone contrôlée par euh, euh, des narcotrafiquants, par des djihadistes qui imposent leurs lois et qui fragilisent l'État. Donc <clears throat> la perte de l'État, ou du moins le, le désengagement, c'est ce qu'il faudrait craindre surtout, parce que lorsque l'État devient absent dans un espace, c'est-à-dire on donne la chance à ces djihadistes, à ces organisations extrémistes aujourd'hui d'imposer leur schéma, c'est-à-dire la, euh, le, djihadisme, le, narcotrafic, hein, le, comment appelle ça, le trafic de drogue, ainsi de suite. Ce qu'il faudrait véritablement craindre, c'est la fragilisation de l'État dans cet espace-là. Hmm. Et c'est d'aboutir, de, déboucher sur, euh, susceptible de déboucher sur une sorte de kidalisation, c'est-à-dire qu'on retrouve un deuxième kidal au Niger. Et là, lorsque le Kidal va s'installer au Niger, ça va être le chaos, j'allais dire, institutionnel. Nous ne le souhaitons pas. Institutionnel, c'est quoi On ne le souhaite pas. Mm. Et je pense très bien que nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui sont en train de, de prendre toutes les dispositions. Et il va falloir, dans ce cas précis, que nos populations eh, donnent leur engagement et qu'ils considèrent l'État comme étant la, le, garant de, la, de, leur, de leur sécurité. Et alors, pour le faire, il va falloir que créer, et de, de participer de mm. manière constante hein, à, à, la, lutte contre ces, genres de, de, situations, mm. en informant, en, participant constamment, hein, en, donnant confiance, en donnant mandat à ces forces de défense et de sécurité qui malheureusement perdent leur vie rien que pour nous défendre et euh, défendre aussi euh, le, Niger. Donc voilà ce qu'il faudrait véritablement engager. Donc mm. véritablement la peur, c'est la fragilisation de l'État dans cet espace-là. Quand on assassine un chef de, village dans, un, dans, une localité donnée, euh, comment vous analysez la réaction du côté, en tout cas des différents acteurs concernés, euh, du côté des autorités, du côté de la population Est-ce que euh, les dispositions qui doivent être prises le sont réellement pour la plupart des cas je, je pense que l'État du Niger se bat déjà sur plusieurs fronts. Nous avons la région de Difa, nous avons la région de Maradi, nous avons la région de Dogondouti, nous avons la région maintenant de Tilaberi. Mm. Et je pense que l'État, il est très sollicité. La demande, elle est énorme. Mm. Et si véritablement euh, un chef traditionnel trouve la mort, l'État d'abord ne fait que constater l'assassinat. Les, les, les, mm. est Et c'est évident, les, services de renseignement s'engagent. Mais selon les sources, selon des informations qui fusent de partout, il paraît que c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens connus, souvent, qui participent ou qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui favorisent, qui encouragent ces assassinats-là. Hmm. Donc, c'est là, l'État devrait normalement s'engager à une sorte de collecte d'informations beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, réaliste qui, qui, peut, susceptible de, lui permettre, n'est-ce pas, de garantir la paix dans, dans cet espace-là. Justement, voilà véritablement hmm, ce qu'il faudrait engager. Justement, au sujet, au sujet de l'identité des gens qui assassinent ces, chefs traditionnels, est-ce qu'aujourd'hui, euh, peut-on réellement affirmer que tout cela est, le résultat ou en tout cas l'acte de terroristes ou peut-être souvent de, des histoires intercommunautaires non réglées et, voilà. Euh, euh, justement, les conflits intercommunautaires, intracommunautaires, euh, ne peuvent être que des ingrédients en réalité qui peuvent accélérer ce, processus de démantèlement des autorités, j'allais dire, coutumières. c'est vrai que dans la zone, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a des agriculteurs, mais moi je ne pense pas que cela joue on n'est pas arrivé à ce stade où, par exemple, c'est les, les Peuls au Mali et les Dogons qui s'affrontent. On mm. n'est pas dans cette logique-là. La logique la plus, euh, j'allais dire, évidente dans laquelle nous sommes, c'est euh, tant des hommes et des femmes qui ont décidé délibérément de s'attaquer à un État et d'occuper euh, cet espace-là. Mm. Donc les djihadistes sont réellement motivés par des ambitions purement, j'allais dire, djihadistes et politiques et ils ont euh, un soutien. Et ce soutien-là, c'est ce qu'il faudrait chercher à identifier. C'est ce hmm. qu'il faudrait chercher à, situer d'un point de vue d'abord géographique, aussi d'un point de vue politique. Hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur, quand vous parlez de soutien le, soutien, c'est, euh, je voulais tout simplement dire, hmm. ce que nous devrons faire aujourd'hui en sorte que euh, les informations les plus sûres, donc ce qu'on appelle, ce qu'on appelle intelligence, nous conduisent vers réellement la source j'allais dire, euh, de toutes les contributions qui permettent à ces gens d'être d'abord informés, d'abord de connaître la position de nos soldats, de connaître la position ou du moins la situation de nos villages, la localisation de nos chefs traditionnels, leurs activités, et c'est de mettre la main sur ces sources-là d'information pour pouvoir mieux agir. Abbas Abdelmoumouni, euh, alors comment vous analysez les situations d'après assassinat de chefs traditionnels comme le docteur l'a dit, l'État est sur plusieurs fronts. Je trouve que c'est avec tact et habilité qu'il faut gérer ces cas d'assassinat parce que, euh, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut jamais céder, à, en tout cas, à, la panique. Lorsqu'on cède, en fait, ils ont gagné. Et donc, l'État met tous les moyens pour que, euh, à la fois, on ait confiance à la logique de l'État en matière de, gestion des cas d'après-assassinat. Je trouve que c'est ça le rôle de, de l'État. On ne peut pas tout de suite euh, parce que souvent, c'est compliqué. On, ne sait pas c'est qui l'acteur. Même si mm. souvent, comme le docteur l'a dit, il y a des sympathisants locaux. Souvent, ce sont des gens qui connaissent parfaitement euh, la situation socio-économique, les activités des principaux acteurs concernés. Et du coup, ils ont des informations sur eux. Souvent, c'est ça la complexité. Et, le rôle de l'État, justement, c'est d'amener l'ensemble des acteurs euh, communautaires à, à, collaborer. Et c'est ça, en fait, la gestion des après assassinat. Et je voudrais euh, simplement dire, justement, doubler avec le problème de la transfrontalisation, comme moi, je voudrais, je, parlerai plus de la transfrontalisation des, des, conflits, et doubler avec le trafic euh, de drogue. Donc, il est, il n'est pas facile très rapidement, en tout cas de définir avec ces, gels-là. Docteur n'a pas voulu parler directement des sources, moi, je voudrais bien dire, évidemment, avec euh, l'immensité des trafics qui s'est fait dans l'espace sahélo-saharien, l'ONIDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité, a, édité un, rapport très édifiant en 2017 mhm. dans le cadre de la mise en œuvre de, la stratégie intégrée des Nations Unies au Sahel. C'est sa contribution. Mhm. Alors, son rapport révèle que euh, les revenus générés, par exemple, par le trafic de drogue, d'héroïne et de résine de cannabis, dépasse largement le PIB d'un des pays du Sahel. Si on considère que le PIB du Niger est de 2 milliards de dollars, alors le, revenu annuel généré par le trafic de ces trois euh, stupéfiants dépasse le PIB du Niger, dépasse 2, milliards de dollars, donc plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc comprenez que tout de suite, euh, pour stopper ça, c'est pas facile. Et d'autres acteurs, évidemment, qui peuvent être euh, étatiques, euh, sont en jeu parce que euh, souvent on a vu des personnes qui ont, ou des États qui ont participé au paiement des rançons, à la libération des otages. Donc du coup, ce faisant, c'est comme si on a participé en tout cas à l'effort de renforcement des capacités et euh, de ces acteurs-là non étatiques qui s'en prennent à nos forces de défense et de sécurité. Donc je trouve que... Il y a des acteurs à la fois étatiques et non étatiques qui interviennent pour euh, renforcer les capacités, en tout cas d'armement à la fois militaire et d'équipement de ces acteurs non étatiques. Docteur, aujourd'hui, quelles sont les mesures préventives qu'il est nécessaire de prendre face à, cette situation merci bien. Donc, euh, euh, moi, je l'ai dit et je le redis encore. Euh, que nous ne sommes plus dans la logique des, loups solitaires, hein, loups solitaires, des gens qui viennent juste attaquer et partir, ou bien un individu qui vient pour attaquer et partir. Nous sommes dans la logique d'un dynamisme touriste très fort. Et, euh, je le dis toujours, que les, le terroriste a la capacité de s'adapter aux dispositifs sécuritaires euh, installés par des, des armées régulières. Mais très malheureusement, les, les États n'ont pas la capacité justement d'adaptation. De contrôler, nest pas, de s'adapter aux mutations du terrorisme. Hmm. Donc, ce qu'il faudrait engager, c'est d'engager, je le dis, un schéma beaucoup plus basé sur la prospective. La prospective est une sorte de cartographie des scénarios possibles. En juillet, le camp d'Inatès a été attaqué. Des chefs traditionnels ont été tués, ont, été assassinés. Oui. Ils continuent d'être assassinés dans la zone. Eh bien, maintenant, nous, nous devrons envisager déjà l'envergure ou la tournure que ces événements-là peuvent prendre. Et c'est en réfléchissant de la, sorte que nous serons capables de prévoir les mutations possibles. Parce que si avant les villages étaient attaqués, les casernes étaient attaquées, maintenant ce sont les chefs traditionnels. Et demain, qu'est-ce que ça va devenir Peut-être demain, ils s'attaqueront aux populations normales, comme cible. Moi, je pense très bien qu'il faudrait, comme l'a très bien dit Abbas, encourager cette question de caravane de paix de monotorie qui fera en fait des tours, n'est-ce pas, de, ces villages-là pour pouvoir sensibiliser les gens sur les, formes de contribution. Parce qu'il faudrait bien qu'il soit, que la population soit informée sur les formes de contribution qu'elles peuvent apporter pour limiter ou du moins pour empêcher déjà ce type d'assassinat. Hmm. Le terrorisme est une sorte de, de, de, de, logique pyramidale. Une logique pyramidale. Cela signifie quoi une logique pyramidale. Donc, une logique pyramidale, vous avez au sommet des acteurs qui commandent depuis l'Algérie, depuis euh, euh, l'Afghanistan, depuis l'Irak, les actions hmm. qui, qui doivent être entreprises dans le, le, nord, dans, le Sahel. Et vous avez au bon milieu ces djihadistes-là qui qui, qui, gèrent les, troupes, les bandes, qui, qui organisent les combattants. Et vous avez à la base des combattants aguerris qui aujourd'hui, sous l'effet de la drogue, qui aujourd'hui, pour des, des, des, motifs euh, réellement lucratifs, mmh. s'engagent à aller dans une logique de confrontation avec les armées régulières. Mmh. Donc, c'est en ce sens qu'on parle que le terrorisme est une logique pyramidale. Mais si la population locale ou les populations locales s'engagent aux côtés de, de, nos États dans la lutte contre ce genre de phénomène, nous sommes convaincus que nous aurons les moyens et nous aurons aussi l'intelligence de prévoir, n'est-ce pas, les cas possibles, les scénarios possibles. Et en prévoyant ces scénarios possibles, nous pouvons anticiper sur la lutte. Nous pouvons anticiper, n'est-ce pas, les, éventuels assassinats ou les attaques de nos casernes militaires. Hmm. Nous l'avons dit en hmm. juillet, juste après l'attaque de la caserne de, le garnison euh, de, Inates. Nous l'avons dit que c'est bien possible que ces jeunes reviennent. Mais aujourd'hui, ils sont revenus avec des moyens extrêmement sophistiqués. Avec, euh, aussi un dégât euh, plus important. Des troupes motorisées qui sont venues et qui ont attaqué le, camp. Et très malheureusement, nous avons eu une perte énorme. 71 hmm. militaires, euh, c'est énorme pour un État. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, certains, vous l'avez souligné, et vous et Abbas, vous l'avez souligné qu'aujourd'hui, en tout cas, le Niger est très vaste, l'État du Niger est sollicité, sur beaucoup de chantiers. Mais e-, est-ce que cela rend difficile la protection des chefs traditionnels aujourd'hui dans notre pays Absolument. Donc, euh, la dimension géographique euh, doit, être, euh, doit être prise en compte dans la sécurisation de, ces chefs traditionnels je suis convaincu que l'État mobilise d'énormes moyens. L'État mobilise euh, d'énormes, ressources dans la sécurisation et des populations et des autorités coutumières. Mais je pense que l'immensité du territoire nigérien pose véritablement un problème. Et voilà pourquoi nos États doivent engager dans euh, une perspective beaucoup plus basée sur la technologie de l'information. Hmm. Il faut qu'on engage des informations, il faut qu'on engage cet arsenal technologique-là qui peut fournir des informations en temps réel n'est-ce pas, aux, responsables de défense et de sécurité, et qui peut euh, faire en sorte que les actions soient engagées dans, euh, en temps réel aussi pour pouvoir limiter des possibles attaques ou empêcher des, des possibles assassinats. Quelle alternative pour la protection des chefs traditionnels aujourd'hui pour ne pas, euh, en tout cas, aller vers une disparition de, cette chefferie dans, dans, dans nos localités La seule alternative est de faire en sorte que l'État ne se décourage pas que l'État redouble beaucoup plus d'efforts dans la mobilisation des ressources financières, dans la mobilisation des ressources humaines en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Hmm. Nous devrons engager beaucoup plus de moyens, nous devrons nous responsabiliser. Quand je parle de responsabilisation, c'est-à-dire, c'est affirmer notre souveraineté dans la sécurisation de notre espace territorial. Hmm. Moi, je pense très bien que le Niger aujourd'hui ne peut plus compter sur les apports d'autres euh, partenaires mmh. pour véritablement empêcher ces genres de situation. Mmh. Abbas a parlé de euh, la question transfrontalière. Voilà en fait un aspect très important sur lequel nous pouvons euh, accentuer nos réflexions pour trouver les voies et moyens pour que le Mali, par exemple, qui abrite ces terroristes, le Mali qui, qui, est devenu pratiquement le Nord malien qui est devenu un sanctuaire. Mmh. Nous devrons travailler avec le Mali pour voir comment. Et je l'ai dit plusieurs fois sur vos antennes tant que nous n'aidons pas le Mali à retrouver son intégrité territoriale, tant que nos États du Sahel ne s'engagent pas dans une véritable guerre de manière à ce que le Mali soit un État normal, nos sociétés ne vont jamais rester tranquilles. On sera toujours dans ce de situation. Nous revenons, au studio pour donner la parole à Abbas. Abbas, qu'en pensez-vous aux, moyens euh, de prévention ou de protection aujourd'hui de la chefferie traditionnelle euh, se trouvant dans ces zones euh, Est-ce qu'il faut les laisser à leur sort euh, euh, ou il y a des moyens qu'on pouvait prendre en tout cas de prévention de, ou de protection de ces, dépositaires de, l'autorité coutumière Merci. En fait, la seule ou le seul moyen en fait Normalement, ça doit venir d'abord d'eux en tant que leader traditionnel parce que ils ont le devoir un chef ne fuit pas devant sa population, vous comprenez mm. Et donc, je trouve que le premier eh, moyen pour la protection, ça, ça doit venir d'eux. Et, l'État fait ce qu'il doit faire. Je rappelle que le budget de la défense de 2011 à, à 2019, il est passé de 42 milliards à 147 milliards, hmm. soit 246% des hausses. Donc, en termes de mobilisation des ressources, comme le docteur l'a dit, l'État a fait énormément beaucoup d'efforts. Et je trouve que l'État doit encourager ses, ses acteurs et d'abord l'État aussi à être résilient, à ne pas se décourager face à, leur euh, stratégie. Parce que lorsqu'on cède, c'est un point gagné, comme je l'ai dit. Donc, euh, la seule alternative qui vaille, c'est de ne pas se décourager. Pas plus que ça, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout ce qui les intéresse. Ils ont tué et ça n'a pas empêché à nos militaires de résister, de tenir. Mais lorsque ils vont s'aimer la panique et les gens vont fuir. Les gens ont continué déjà, ont quitté leur localité d'origine pour d'autres. Déjà, c'est un point pour eux. Je trouve que la seule alternative qui vaille, c'est d'encourager ces leaders-là à résister, à ne pas se décourager. Alors aujourd'hui, quelle est la partition que l'État, les populations, les acteurs de la société civile, les leaders religieux ainsi que les leaders coutumiers doivent jouer résolument Pour euh, l'ensemble des acteurs non étatiques, je trouve que leur rôle, c'est de collaborer en tout cas efficacement avec les forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est de l'État, j'ai dit, j'ai paraphrasé paraphrase euh, Ban Ki-moon qui disait que les, les missiles peuvent tuer les terroristes, mais la bonne gouvernance tue le terrorisme si il est établi que le système euh, oui le système en fait s'il est établi que la, euh, les causes de, de ces actions extrémistes à dimension meurtrières sont pour l'essentiel liées à la mauvaise gouvernance, entre griffes. Et, c'est important pour nos États du Sahel de mettre, de mettre l'accent sur la promotion de la gouvernance. Et, c'est normal parce que l'ensemble des facteurs, que ce soit les facteurs attractifs ou, ou répulsifs de l'extrémisme violent, peuvent avoir un lien avec la gouvernance. Donc, au lieu de mettre beaucoup l'argent dans la gouvernance et dans la dimension militaire, je trouve qu'on peut investir moins et efficacement et, de manière efficiente dans la gouvernance. Et comme cela, on aurait évité beaucoup de pertes en vies humaines parce que déjà, on aura prévenu la radicalisation qui mène au terrorisme ou à l'extrémisme violent, qui est d'atteindre déjà la commission des actes extrémistes violents à dimension matérielle agir. Je trouve que euh, le rôle de l'État, évidemment, c'est de s'inscrire, et euh, c'est d'investir beaucoup plus de ressources en matière de promotion de la gouvernance euh, sur tous les Et plans. Pour la société civile. Et la société civile doit collaborer, elle doit participer à l'effort de sensibilisation, de renforcement des résiliences communautaires pour prévenir la, radicalisation maintenant à l'extrémisme violent. Docteur, nous terminons avec vous par rapport à la partition que doit jouer chaque acteur, notamment les populations, l'État, les acteurs de la société civile, les, leaders, les et coutumier Moi, je pense qu'aujourd'hui, au, yeux vu de, tout ce que nous sommes en train de vivre, eh, il serait un peu hasardeux d'affecter de, un certain nombre de responsabilités euh, à des acteurs euh, spécifiques. Hmm. Bien au contraire, ce que moi je pense maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait un forum. Un forum, euh, j'allais dire, d'abord à l'échelle régionale, c'est-à-dire dans les régions, mais aussi à l'échelle nationale, où on va, on va euh, à la fin, donc, ce, forum-là va faire sortir, si vous voulez, un document officiel dans lequel où nous allons officialiser pratiquement toutes les, les formes de, euh, de, lutte, ou du moins les contributions euh, de chaque individu. Donc mm. c'est ce que les États-Unis ont fait à un moment donné, après les attentats de septembre. L'Amérique s'est engagée dans un combat réel où le citoyen, à, tous les échelons, était engagé dans la, la, lutte contre le terrorisme et en euh, a été appelé aussi à amener une contribution plus ou moins spécifique. Mm. Mais de manière globale, s'il faut aller dans un débat plus ou moins global, mm. moi je pense que l'État euh, d'abord doit aller vers une sorte de euh, la reconquête de sa légitimité dans, dans, dans, dans ces espaces-là, affectés par, le djihadisme. Mm. Bien. Qu'est-ce que j'entends par reconquête de la légitimité C'est le fait que l'État se replace d'un point de vue stratégique dans ces zones-là, qu'il crée les conditions, comme Al-Abbas l'a très bien dit, où la population se sentira beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, euh, concernée, impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Et la bonne gouvernance à cet effet est essentielle. Mmh. Il va falloir que l'État concentre beaucoup plus d'infrastructures, mais que l'État crée les conditions pour que les populations là élèvent dans la politique, culturelle, économique. Lorsque la, la population est politiquement sédentarisé, économiquement sédentarisé, culturellement sédentarisé, moi je pense que la lutte sera beaucoup plus efficace. Bien. Mais lorsque les gens viennent au gré de, de l'environnement au gré de certains aléas climatiques, s'installer dans un village, créer les conditions pour qu'il reste. Il suffit simplement qu'il y ait un petit mouvement et ces gens-là vont prendre leur bagage et quitter le village. Donc voilà en fait là où la, bonne gouvernance doit intervenir. Allez-y dans la région de l'IPA, vous allez voir, les écoles sont fermées. Hmm. Les enseignants quittent les écoles à partir de 13h, il n'y a pas d'école. dans la région de Tilabéré également une centaine d'écoles fermées ça, ah, des écoles ont fermé. Et, la les, agents de santé quittent à partir de 14h. Mm. Pratiquement, les villages se vident à partir de 18h. Donc c'est là le danger. Mm. C'est un véritable problème de la région de Tilaberi. C'est la même chose. Le même scénario que nous avons connu dans la région de, de Bifa est en train de se reproduire, mais avec beaucoup plus d'acuité. Et moi, je dis toujours que la région de Tilaberi, la situation de la région de Tilaberi est encore, j'allais dire, beaucoup plus grave que ce que nous avons connu dans la région de Bifa. Bien. Abbas, vous voulez dire un mot euh, avant qu'on euh, clôture Oui, justement, en matière de rôle des, acteurs non étatiques. Euh, en matière de prévention de la radicalisation. On voit bien la haute autorité à la consolidation de la paix, pratiquement dans toute la région de Tillabéri, dans les zones affectées par les conflits. Elle a institué ce qu'on appelle le comité de paix, mm. faut, ils font des assises villageoises et ils partagent les préoccupations. Donc aujourd'hui, si ces chefs-là sont pris pour cible, c'est parce qu'effectivement, ils sont engagés dans ce, ce cadre-là. Le, le, Qu'est-ce qu'il faut faire alors ce C'est renforcer en fait, euh, c'est renforcer ce comité en termes de protection, c'est ce qui est plus important, mm. parce qu'il n'y a pas que les chefs qui sont engagés dans le comité. Il y a les jeunes leaders communautaires, il y a les groupes de femmes, les leaders religieux, qui tout le monde et, l'ensemble des leaders de différents groupes ethniques composant les, les, villages qui sont impliqués. Donc, je trouve que le, le, fort, le rôle de l'État aujourd'hui, c'est d'encourager et renforcer les mesures de protection de ces comités de mm. Comme cela, ils feront eh, évidemment avec beaucoup plus d'efficacité le travail qui est, qui est attendu d'eux. Merci beaucoup, chers invités. Et c'est sur ces mots que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait sur le thème série d'assassinats de chefs traditionnels au Niger par des hommes armés non identifiés. Comment lutter contre ces crimes? Nos invités ont souligné l'importance de l'implication des populations locales dans la recherche des solutions et le maintien de la sécurité. Le rôle de l'État a été aussi souligné et il consistera par exemple à créer les conditions et le climat de sécurité nécessaires autour des populations en général et des chefs, et des chefs traditionnels en particulier. Il a été aussi rappelé que l'un des moyens de prévention de ces crimes à l'endroit de la chefferie traditionnelle, c'est la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, ce qui passera par l'encouragement et la promotion des comités de paix au niveau local. Nous étions en compagnie de Dr Diko Abdraman, enseignant-chercheur euh, en ligne avec nous depuis Zender, et Abbas Abdelmoumouni, qui est acteur de la société civile et spécialiste des questions d'extrémisme violent et de radicalisation. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation et le volet technique a été assuré par Hussein Isaka.